Boudé, Boudé mourir. Regardez bien, regardez bien dans les yeux de, la vache, vous verrez bien la Kaba. C'est l'image de la Kaba. C'est un miracle. C'est un miracle. Kadibi